en situation d'épidémie d'ampleur mondiale, la peur est toujours la peur. Parce que l'épidémie en tant que telle, elle nous confronte, nous, les individus, à la mort ou à la menace de mort. Selon vous, docteur, comment est-ce que nous pouvons réagir On peut avoir des, euh, des moments euh, un état d'anxiété, c'est-à-dire une sorte de peur permanente, c'est ça l'anxiété, comme si quelque chose euh, d'horrible va m'arriver, d'accord On peut aussi être angoissé par toujours cette peur-là. Et également, on peut avoir des sensations ou une tendance à se sentir mal déjà. Comment faire pour que nous n'ayons pas suffisamment peur face à, à cette pandémie-là D'abord, la première des choses, il faut se protéger. Le deuxième comportement préventif qu'il faut avoir, d'éviter de se jeter dans des scénarios catastrophiques. Ah, il faut tout faire pour avoir un certain recul par rapport à certaines sources d'informations.